les Alepti avant ça bas. Peugeot by CFAO. BHT Jabba. Sivoderm, Nova, Sivop, SunoShopping.com. Radisson Blue, Aroma Gelato, Mangalis Management Group avec les hôtels Noum, Sim, Yas. Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Negura Music Group, leader dans la production musicale. Amfa Beauty. Mariam Zahra. Amethyst Adenkras Jewels Fondi, Influence, Sarama. Pertinence Closing. Karidja et Khadija. Hmm. Sommes-nous si manches à leurs yeux Pourquoi le monde est contre nous, nous Blessé, blessé par vos paroles mer, J'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé à peine nourrit ma haine, amère l'amertume Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre Notre bonheur vous importe peu manigance. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie importent. non bah, je l'adore sa xarit me présenté il est tellement drôle. <laughs> Bamba yow vas découvrir boy dof dof lu neex de de depuis nga quand? Hmm. pourtant je vais réviser ça. après tout c'est un appartement non. <laughs>

Tu wax naa ko sérieux mon père a super envie de te rencontrer bah c'est réciproque pardon never et pourquoi c'est mon papa et tàkk lay et toi ça t'enchante pas non du vous Vous des problèmes avec moi man xam ma bëgg lee c'est juste parce que ma bëgg liggéey ba pareil. am sur mon pap bu ñu tegee suñu xelee affaire de mariage on risque de se mettre de la pression pour rien on n'a même pas encore officiellement exercé tous les deux Aminata est-ce que loolu kese là? lu bëgg que nekk leneen yow tamit bah je sais pas peut-être que en fin de compte ce papa du bëgg nga sëy un jeune policier Issa yow loolu war nga ko xalaat je suis désolé c'est juste que Aminata man dama japp ne liñu ñu waroon dund yëpp dund nañ ko ba pare actuellement lan lañu ñu mën dund lenen lu dul sëy et je ne sais pas pourquoi tu hésites Xana lol mais pas nga tek sa xelay affaire de xébaté. déjà maa ngi jël appartement bi di ko sans que sama papa xam ko yaakaar nga ni ku la xeeb loolu yëpp dina ko si fekk baal ma je suis désolé neexal ma revenu Tu prenais pas mes appels et je me suis inquiétée. Franck, pourquoi tu laisses maman te mettre dans tous tes états comme ça Excuse-moi, Jess, j'avais besoin d'être un peu seule. Maman m'a énervé sur le coup, mais ne te fais pas trop de soucis pour moi. J'ai appris à vivre sans maman de toute façon. Pas comme nous tous d'ailleurs. Écoute Franck, maman n'est pas mauvaise. Elle est juste spécial et aux gens spéciaux un traitement spécial. Spécial, hein Jess, tu te souviens de l'accident de moto que j'ai eu il y a deux ans Ouais. Tu sais comment maman a passé une semaine à mon chevet <laughs> Au téléphone. La femme la plus puissante d'Afrique ne l'est visiblement pas assez. Au passer du temps avec son fils hospitalisé. Elle était en Espagne, Franck. Elle était de retour le lendemain de ma sortie pour voir le président. Et deux jours après, direction la Côte d'Ivoire. Tu sais, Jess, il m'est arrivé parfois de souhaiter que ces projets n'aboutissent jamais. Voilà où j'en suis avec ma mère. Au lieu de l'amour, j'ai de la haine pour maman. beaucoup trop de choses sont mensonges autour de moi. Maman n'est pas celle qu'elle prétend. Et moi non plus, je ne suis pas celui que tu penses, Jess. On a tous souffert du manque d'attention de maman. Mais Mike et toi, vous avez eu de la chance. Vous étiez à Babi, avec papa. Moi j'étais ici. J'ai grandi ici à Dakar. Avec maman Anta. Et loin de la famille. s'il te plaît. Ne laisse pas la vie te corrompre. Tu as un cœur en or. Non, c'est toi qui as un cœur en or, Jess. Toi, t'es pas comme Mike. Lui, c'est un modia. D'ailleurs, c'est le seul qui n'est pas affecté par tout ça. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est un modia. <laughs> <laughs> bon, plus sérieusement. Du coup, tu vas dormir euh, non. Pourquoi on va rouler. Ah, yes <laughs> Allez, on y va. Mais je te dis en même temps, tu roules doucement. Je suis pas ta camarade. D'ailleurs, j'ai surpris tes enfants en train de parler de toi. Ah bon Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu es en train de les perdre au profit de ton travail. Ils savent pas que cet empire que je suis en train de construire, c'est pour eux. Mike arrive à le comprendre, pourquoi pas eux Enfin, si Jessica arrive à se passer toi, elle peut bien se passer de cet empire. Mike passe plus de temps avec toi qu'avec Franck et Jessica. Mais elle n'a qu'à venir travailler avec moi, Jessica. L'entreprise est beaucoup plus importante que ces histoires de mode. Mélanie, c'est à toi de te plonger dans leur monde. Ta vie, elle est toute faite. Tu as réussi. La leur ne fait que commencer. Et tu voudrais que j'arrête mon boulot pour satisfaire les caprices de Jessica Non. Je te demande de trouver le juste milieu. C'est comme ça que j'ai réussi avec Mike et Jessica. Oui, mais bon, toi, tu n'as pas cinq hôtels dans toute l'Afrique à gérer. Hein? Ouais, je sais, je ne suis pas riche comme toi. Écoute, Paul, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et tu le sais très bien. Et tu vas continuer à me rappeler sans cesse que si tu n'es pas devenu ce grand architecte international, c'est à cause de moi. Tu sais, quand j'ai écrit cet article, Mélanie, et que les grandes universités commençaient à s'intéresser à moi, eh ben, j'avais le choix entre mener une vie comme la tienne, partir en voyage, ou choisir le juste milieu, rester auprès de mes enfants. Mon seul regret aujourd'hui, franchement, c'est d'avoir laissé Franck vivre avec ta mère. Eh bien, tu vois, si pour toi la richesse résume au nombre de zéros que tu as dans un compte en banque, ben, la mienne, c'est de rester près de mes enfants, savoir qu'ils peuvent compter sur moi à tout moment. Mais je les aime, moi aussi. Ouais. C'est pas moi qu'il faut le dire, c'est eux que tu dois convaincre et fais-le rapidement. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Bonne nuit, brave dame. Bonne nuit. Je suis désolée. T'inquiète. façon, xam naa li nga bëgg c'est bien qu'on en ait parlé. donnons-nous trois bonnes années et après on se marie. <laughs> yow man maa la wax dama fiy toog la xaar trois ans. Hmm. dama xam ne rek amul benn jigéen bu la nobé ni ma la Issa Diouf aucune de ces femmes ne m'arrive à la taille. <laughs> ak am fi. allo chef. Affirmatif, chef. Ok, entendu. Allez, marche. Ça va Ouais. madame. Smerte ipagali jantini meidunde Yangi wasimante hamulofi majoge Suma donyo dame no pite tahawene Je te jure. Il est bien la vraie fois non police you, bul def li ma xalaat de bul bul bul Aminata hey attends c'est la police lu ma neex laay def policier nga non

j'avoue. Non, je sais pas comment tu peux me rendre aussi gamin, quoi. <laughs> non, Aminata, non, amour. Hmm. On y va Déjà. Hmm. Ah. Hmm. su ma toogee gisuma la ni, boy da fay melni ni damay tok éternité. man après vie la tok di misère rek. daal ñu toog. waxooloo nii sànq de non mais science it is what it is. <laughs> tu sais il immeuble a un lu may ak sam Ben on avait un rêve. Il waroon jënd immeuble bi ma bi et puis ñaari rooftop a ku nekk jabaram bien sûr <laughs> bien entendu nous avons jël bii man chaque matin tu me fais mon café et maak moom ñuy wootante téléphone c'était un signe de réussite bon j'avoue qu'on était jeunes quand même mais <sighs> on était fous j'allais me faire une demande. Issa, les deux ma yóbbu ça me fait penser à mes parents ils étaient comme nous Ils étaient jeunes, pleins d'ambition et de rêves. Nous nous xamante kenn mësul woon xalaat ni bés dina ñëw vous nous divorcé sama papa dem ak Kenen..! ma mère qui n'arrive toujours pas à se remarier nekk ci kaw suuf xam na ni bëggul keneen ku dul sama ça m'a tellement traumatisée tax na ni ba bëgguma sax xalaat yu jëm ci wàllum j'ai peur de me marier parce que dama ragal divorcer j'ai peur que ça nous arrive C'est donc ça. Aminata loolu moo tax nga ragal a sëy. bëgguma lu leen dal dal ñu. Aminata peu importe le temps que ça va prendre man dina la xaar ndax sama aduna xalaatuma sey ak benen jigéen bu dul yow je t'aime Aminata et je n'aime que toi. Issa Diouf xalaatuma sëy ak beneen góor bu Votre série revient après la pub. Jadida. 4000 mètres carrés. Je ne parle pas de 4000 mètres carrés d'école, ni de 4000 mètres carrés d'air de jeu ou d'hôpital. Non Il s'agit là de 4000 mètres carrés de privatisation. Et une privatisation qui a déjà gagné beaucoup trop de terrain. Bientôt, Dakar n'appartiendra plus à sa population. Chers camarades, ça c'est de la distraction. Eux que vous voyez là ont déjà des objectifs. Le nôtre, c'est l'examen de cette semaine. Restons concentrés. Il On Franchement, étudiants et pour marche pacifique Et il veut tous les convaincre Pas tous, juste lui. C'est Malik Luther, le président du syndicat des étudiants du Sénégal.

Lamborghini ngay dawal te riche parce que sa entreprise yaay am nga fa avenir am nga fa déjà poste t'as besoin de rien gros et pourtant dañ lay gis chaque jour taxi ngay wàcce fini boy booy ñëw jàng si nga koy ñun fini bu ñuy ndekki quand tu pars je vois pas le prince Gradel sama étudiant d'accord je suis avec toi la force de l'unité africaine c'est d'abord la solidarité Nous sommes dañu l'union fait la force on va mener cette bataille ensemble les gars ah ouais, ils ensemble hein ah Mission accomplie. <laughs> La manifestation, tu l'auras. Exactement. souvenez-vous n'est-ce pas Bay et ses associés se préparent pour la pose de la première pierre. J'aimerais que tu y sois en couvrir l'événement. Ok, ça marche, mais Parce que moi, sans preuve, je ne peux pas m'avancer en écriture. Tes preuves, tu les auras ce soir. Super. Super. À ce soir alors À ce soir. Même endroit. Même endroit. Ah. En tout, vous avez été combien de temps ensemble, Jess Quatre mois. Quatre mois Tu es trop compliquée, Jessica. Le fils du président en personne te fait la cour et vous vous quittez pour une histoire d'appeler tous les jours, de connaître ta couleur préférée, je ne sais quel autre problème. Arrête Fatih, tu sais que Jess est une dépendante affective. Adja, Maïma, les hommes là, ils n'ont pas le temps et moi non plus d'ailleurs. Si tu veux te reposer l'esprit, il faut te battre à égalité avec eux. C'est-à-dire Mbadan. N'importe quoi Fatih. <laughs> les hommes ne vous respectent pas continuez. donc selon toi la meilleure façon de se faire respecter dans ce monde c'est de devenir la première femme polyandre c'est ça. Si je ko polyandre lay <laughs> bah quoi écoutez c'est pas compliqué. je suis avec ça ça moi ma suis c'est chauffeur en plus c'est lui qui me fait voyager au septième ciel Waram barewul une belle nuit en fait c'est un gigolo. Tout dès que la neige. Ensuite, il y a Elage, mon meilleur ami. Celui qui me fait avancer humainement, il me cadre. Mais je ne sais pas ce qu'il vaut non plus hein, physiquement, car monsieur ne couche pas avant le mariage n'importe quoi. Seigneur Dieu, regarde ta fille. Est-ce qu'il est le troisième Bonne question. Mystère, mystère, c'est mon sugar C'est un homme qui réunit absolument tout. Il est riche, mature, dur, respectueux et respecté mais qui est malheureusement marié et monogame donc. Donc toi, tu préfères bouffer l'argent d'un vieux coureur de jupons, coucher avec ton chauffeur gigolo, au lieu de te contenter d'un homme qui semble bien t'aimer Tu sais, le problème avec cette fille-là, c'est qu'elle est tellement occupée à chercher ce qu'elle n'a pas, qu'elle n'a même pas le temps de voir ce qu'elle a à côté d'elle. Attends, vous parlez de Elage, à ton avis Eh, bah elle doit te Tu sais exactement que Elage est l'homme qu'il te faut. Un mari, ça doit être ton meilleur ami, Tu as bien entendu, hein il faut bien écouter ce qu'elle est en train de dire parce que de nous trois ici, là, c'est la plus apte à donner des conseils. Elle est mariée et elle connaît le terrain. D'accord Mais pour l'instant, pardon. Adja, qu'est-ce que tu me conseilles eh. Personnellement, je trouve que tu es victime de ton milieu. Tu sors qu'avec des hommes riches. Tu as besoin d'un homme qui soit capable de se concentrer sur toi. Mais ça a quoi à voir avec la richesse Pour l'instant, t'en es à un 3-0. Donc change de disque. <laughs> Ouais, va trouver un mécano ou maçon fort, tu avec de la sueur sur le corps et les veines pleines de testostérone. <laughs> Est-ce que tu es normal T'es folle. <laughs> des papiers qui s'envolent. Quel travail opprimant Pas opprimant, exigeant. Tu voulais me voir, maman Oui, Franck. Je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. Écoute, maman, je ne voulais vraiment pas te manquer de respect du tout. Je sais. Assieds-toi. sais, maman, tu as toujours eu cette abnégation à toute épreuve. Et ça, j'avoue que je t'ai l'envie. À toute épreuve, tu t'en sors. Mais par contre, c'est tout à fait différent quand il s'agit de ta propre famille. Tu es encore trop jeune, Franck, mais plus tard, tu comprendras que tout ce que je fais, c'est pour vous toute cette ambition, tous ces projets, c'est pour vous. si on n'en a pas besoin Vous êtes né prince. Vous ne savez pas ce qu'est le besoin. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être dans le besoin, d'être dans une telle pauvreté, que ta vie, celle de tes enfants, peut basculer à tout moment. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être vulnérable, Franck. C'est donc ça. C'est donc pour ça que tu m'as laissé vivre à Dakar, loin de toi, toutes ces années. C'est donc ce que je représente à tes yeux, maman. Une vulnérabilité. Un échec. Oui, je sais. Je suis au courant de tout. Et maintenant, tu sais pourquoi je te hais. Excusez-moi, euh, Mélanie, il y a le ministre de l'Urbanisme qui est déjà là. Euh, oui. Euh, je, je, je, vais... Euh, installer le C'est déjà fait. Ils attendent déjà. J'ai pu attendre six mois pour avoir cette discussion. Et je pense que je pourrais attendre le temps d'une réunion. ordinateur ok thanks je passe chez toi ce soir. Franck Hey Mike euh, Qu'est-ce que tu fous là, toi T'as rejoint les affaires finalement ou quoi Euh. J'attends juste maman là. Moi j'ai l'impression que t'es stressé Qu'est-ce que t'as, toi Qui, moi Stressé Non, pas du tout. Ah, la fille C'est vrai que t'es puceau, toi. Hein. Mais tu sais, les filles, il y en a des milliers. Trouve-toi une copine, je sais pas, moi, fais quelque chose. Hein T'es jeune, t'es riche. Ah, porte tes couilles, enfin, voyons. Mike, le truc avec toi, c'est que tu n'es pas expérimenté en amour. <laughs> Pardon tu sais avec combien de filles je me suis réveillé ce matin Mike, le problème avec toi, c'est que tu fais le gros dur, mais tu connais rien à l'amour. Je souhaite qu'un jour, tu finisses enfin par tomber amoureux. Oh, <laughs> oh dis le puceau. doo si jàmm négatif boy fils loolu xibar en fait je veux dire quand ngay takk booy bi non mais sérieusement ça une trop de ton côté binom boy écoute quand tu tombes sur une fille comme elle qui t'aime et qui accepte ta vie non mais looy xaar bu mu la boy non wax nga dëgg mais moi loolu quoi moi bi. Moi la. non c'est que boy, bi moo parewul pour ça actuellement en fait. ok. da nga ko ne kaay ma takkal mu bañ. non du loolu sax. en fait gis nga booy bi Aminata mooy genre booy yi nga xam ne booy dañu gëm dañu xobe quoi gëm ay affaire de carrière affaire bi demee noonu donc booy bi instant yi carrière am lay gën a teg bët lépp. ok xam nga lu may ragal si li yëpp mooy booy bi commencé job sasante ak yeneen Baye Fall yor ëpp xaalis parce que benn am yoroo xaalis yow yoroo xeer à part sa contravention yi ngay séddale si bi fii yoroo dara. Yo Aminata. Yo Aminata la nopp su ma ñëwee seen. ah ok <laughs> jégalu mais bon, déjà yaak booy bi Beaucoup, bokkoo leen niveau de vie c'est pas la même chose donc imaginez mu tal si de buffin bu am à peu près les mêmes qualités que toi dala fii bàyyi. yow Yo, bu ñu la eu trois heures du matin là. Aminata bye, bye, pour loolu di ko booy bi gëmul de xaalis dund ko te naa la benn affaire de yoruñu nekkatuñ ko sol nañ ci bopp booy bi loo xam ne booy bi ñun rek la bëgg wala boog. ah, ah. booy mataar bi ngeen tëj ci violon bi nii depuis démb pour benn couchon du ngeen ko libéré. pour booy bi nii non baal ma seet ki ñaari buukul la ko gars yi sàmm mbàkke te ba léegi dénoncé wul kan mooy libéré de. la mais ko Donc <laughs> il y a vraiment rien à faire. Ah, mais on ne sait pas encore. Excusez-moi, j'étais au bar pour me rafraîchir. Nous avons parlé avec le ministre de l'Urbanisme, mais ce qui est étonnant, c'est que gars, ñu avons ci dossier terrain. Il ba paré une banque qui n'est pas signée. Je dis non, c'est quasi impossible. C'est pas possible parce que quand on entamait les discussions sur ce terrain, il n'y avait personne. Et j'ai dit personne n'était dans ce dossier. Ça, c'est moi qui vous Exactement. Mbaye est peut-être fort en affaires, mais là, ce terrain m'était destiné. Il a dû savoir pour Cradle Worldwide et contre-attaquer. Ben justement, comment a-t-il été au courant Vous pensez que quelqu'un d'ici a parlé C'est peut-être gênant, mais c'est une possibilité. Euh, sinon, t'entend, tu penses qu'il y a moyen de faire recours Ah oui, je pense bien, avec mes relations. C'est possible et on va le faire. S'il faut aller en procès, nous le ferons, quel que soit le temps que ça va prendre quels que soient les sacrifices à faire. Il ne faut pas qu'ils construisent sur ce terrain. Je dis bien quel qu'en soit le prix. Je récupérerai cette partie du littoral.